toujours au rendez-vous dans votre à préfet Café des Sports. Alors, nous allons enchaîner avec les seuls représentants du Sénégal en ce moment en Coupe CAF ñi nga xamante euh, vraiment muy club euh, mythique Bobu di Jaraaf de Médina Jaraaf mi nga xamante vraiment en ce moment mi ngi def ay exploits ñi ngi leen di ñaanal euh, di leen di féliciter di leen di encourager bu baax a baax Malang représentants, ci ñi nga xamante ñoo suñu représentant Thiès mu couvrir événement bi ñoo na aussi ki nga xamante le directeur sportif bi ah, sama doom baay ma ko nuyu bu baax Cheikh Sidi encore une fois di euh, nek fi ci euh, plateau biñu fassiyene fas waxtaan euh, li nga xamantene ne la jaraaf nek di def waye li Lira Diop aussi c'est quelqu'un qui évolue beaucoup dans le milieu du sport donc duma commencer ci si duma commencer ci commencé si Mbaye je commence par lui Lira gis nga exploit ou jaraaf en ce moment ñi ngi nek ci Coupe CAF ils sont les seuls représentants du Sénégal et on est très fiers d'eux on les encourage et on les félicite naka nga gisee sen exploit en ce moment vraiment li may wax dama nan euh, tout premier euh, tout d'abord dama damay nuyu euh, cher Sidi donc mu nek plaisir bu bu mag ci man ma bokk ak plateau parce que seetaan naa ko nek xalé muy jouer aussi mu nek xaritou sama ben grand Abdou Abdou Abdou Fall dëkk Liberté 4 souvent damay dama koy gis des fois muy ñëw diko setti donc tay mën naa ne jeune bu dëkk Sikap nekkoon footballeur wala nga nekk sportif GA jaraaf moo taxoon nga bëgg football teg jaraaf daf ñu daf ñu marqué. Mm. mu nekk club boo xamante ne mën naa ne jeunes yëpp ba tey may wax ni jeunes yëpp jaraaf la ñuy xëy na tey ja nekkatu fi mais jeune ñep ba ci man mi damay supporter jaraaf. Mhm. duma dem stade lu bari na di seetaani jaraaf. parce que peut-être des fois temps bi duma ko may mais chaque jour bu jaraaf du jeu damay suivre match bi en direct ci sen chaîne bi. Mhm. donc nak tey euh, sen victoire bu démb bi mu nek victoire bu bu bu. bu remarquable victoire boo xamante ne la neex. Mhm. vraiment té xamnañ né ne jaraaf. équipe bu bu mak la équipe bu évoluer la té donc jaraaf bu daw boo xolé ak jaraaf bu ren da ngay xam ne ne beaucoup. te chaque chaque fois jaraaf dafay innover dafay mhm. innover te ligne am démb du du chance la mais mérite la parce que dañ koy dañ koy liggéey aussi ñu am coach boo xamante bon am na expérience yëpp mhm. muy Malik Daf que coach un euh, ben jour la d'abord, d' abord mu jour bu mag bu mon football man mi coaché na ma en tant que coach adjoint te boobu j'étais junior au port moom mu nekkoon coach adjoint mhm. euh, mu nek mu coaché ma ma xam ko bu baax te bu évoluer tay ba yóbbu jaraaf ci niveau bu mu nek non dañuy duma né luma bet la parce que daf ko def en équipe nationale ñëwaat jaraaf yóbbu ko ci niveau bi te ñuy ñaanal jaraaf aussi hein euh, muy représenter Sénégal mu gëna dem ci kanam te xam nañ né jaraaf mën na ko te dinañ fa yegg am nañ joueurs yi am nañ staff bi am nañ président bi mhm. am nañ directeur technique bi effectivement donc euh, euh, encore une fois félicitations à eux avec 3 buts à 0 demb euh, fële ca euh, stade la Dior de Thiès euh, équipe de sport, bi golf fa avec un Sané équipe présent sur ce plateau Nous nekkoon pas couvrir match bi ñu nekkoon dem Abidjan ah Racing Club d'Abidjan donc avons euh, aussi ñi gagné match bi avons encore gagné le match bi 3 buts à 0 alors aujourd'hui cher Sitiba, est-ce qu'on peut revenir un peu félicitations encore une fois mais est-ce qu'on peut revenir un peu sur les coulisses de la préparation déjà Nous avons préparé cette qualification à retour comment comment comment vous vous êtes organisé pour faire ça. comment on s'est organisé déjà après notre euh, match de retour contre les Sierra Leone premier tour, au premier tour préliminaire de la Coupe CAF, on, avait déjà ciblé nos deux adversaires qui étaient euh, le Racing Club d'Abidjan et l'équipe marocaine de Touarga. Mhm. Donc on avait commencé déjà à, chercher des informations sur eux. Et après les matchs retour, on a su que c'était Racing Club d'Abidjan. Là, on s'est beaucoup plus, euh, on a beaucoup plus poussé nos, recherches par rapport à cette équipe mhm. et par rapport à nos connexions, par rapport aux médias, par rapport à l'internet. On a su trouver, on a su avoir des, des informations concernant cette, euh, équipe. Mhm. On savait que c'était un club qui jouait dans le championnat ivoirien, mais c'était de base une académie. Et on connaît euh, l'ADN des académies. C'est des, des, équipes joueuses, des équipes qui ont toujours le plaisir d'avoir la possession du ballon. Donc on s'est préparé en conséquence par rapport à ça. Mhm. Et on a, on a vu aussi qu'ils avaient de très bons éléments, quelques bonnes, très bonnes individualités. Et on a euh, euh, le problème est qu'au niveau du Jaraf, on a un entraîneur qui, lui, ne s'apesantit pas trop sur les qualités de, l'adversaire. Lui, mm-hmm. ce qui l'intéresse, c'est d'abord son équipe. Il veut que son équipe soit en forme, son équipe soit performante. Et donc, lui, il ne euh, tient pas trop aux, qualités de l'adversaire. Donc, on a, beaucoup travaillé pendant, après le match retour contre les Sierra Leone jusqu'à hier et pour le match aller à Abidjan où on a, on a souffert surtout en deuxième période parce qu'on mm-hmm. a joué à 10 et euh, le match nul qu'on a eu euh, à Abidjan nous a donné encore plus de force pour pouvoir réaliser la, pour faire la prestation du match d'hier. Et donc je pense que c'était la suite logique du match d'aller. Et on a eu une occasion franche que Mokhtar Keita a, mis sur le, sur, le poteau. Et, mais malheureux, euh, euh, il faut le dire aussi, il faut être honnête, on a eu des difficultés hier contre cette équipe ivoirienne. Mm-hmm. Euh, c'est une équipe joueuse, une équipe euh, qui panique pas, qui, qui panique pas, et ils nous ont posé d'énormes problèmes, mais nos joueurs ont répondu présent et on leur dit bravo pour, euh, pour cette qualification. Oui, bravo pour cette qualification. Euh, Gisnani, comme tu l'as si bien dit, euh, vous avez eu aussi des difficultés lors de ce match. L'équipe a beaucoup subi. Est-ce que vous vous êtes préparé à ça avant cette rencontre Mais Certes, vous avez fait ben un match à euh, ça s'est bien passé. Mais mm-hmm. est-ce que Djangat par rapport à match retour Parce que quand je vois aussi match retour, certes, vous avez gagné, mais avec difficulté. Est-ce que vous avez eu à apprendre par rapport à votre première rencontre oui, parce qu'en fait, euh, après le match aller, quand on a fait 0-0 et on a terminé pratiquement toute la seconde, on a joué toute la seconde période à 10 et, qu'on a tenu, on s'est dit que euh, à 11, ce sera un autre match. À 11, on, on, peut, être dominant. Mais hier, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a marqué très tôt. On a marqué très tôt et c'est tout à fait normal. Ça, c'est dans la, dans, la, dans la philosophie d'un joueur d'un joueur. Quand tu marques, tu te dis que je vais essayer de, reculer un peu pour essayer de, prendre cette équipe euh, sur, des, sur des comptes, essayer de, de garder le résultat. Et ça, c'est une, c'est, une erreur. Malheureusement, nos joueurs, on a de, nouveaux joueurs, en plus de jeunes joueurs qui viennent des étages inférieurs que, la Ligue 1. Donc, ils n'ont pas encore beaucoup d'expérience déjà pour la Ligue pour la Ligue 1 et pour le, pour le, pour le, pour le, niveau africain. Donc c'est quelque chose de nouveau pour eux. Hmm. Et hier, ils ont, après le but qu'on a marqué, ils ont reculé, ils ont laissé la possession du ballon aux, Ivoiriens. Hmm. Et comme eux, ils maîtrisent euh, cette philosophie de jeu. Ils nous ont, ils nous ont ballottés, ils nous ont fatigués. Mais heureusement que derrière, on a tenu bon hmm. avec un grand cher, cher Et ce qui nous a, ce qui nous a sauvés, on n'a pas eu, on n'a pas encaissé de but. Et derrière, on a eu l'efficacité offensive euh, avec ce qui fait qu'on a, qu'on a marqué trois buts sans, sans, encaisser un seul. Oui, et félicitations encore une fois, parce que c'est un exploit de marquer trois buts en match retour sans en encaisser un seul donc lolo ko euh, surtout sur des de grandes compétitions yi nga xamante ne des euh, Coupe CAF alors Malang qui était présent sur les lieux est-ce que tu peux un peu revenir sur la physionomie du match comment ça s'est passé déjà l'arrivée euh, l'attente bi fa par rapport aux supporters et autres avec l'ambiance qui régnait le match comment ça s'est passé donc d'abord il faudra saluer les dirigeants du Giraffe de Dakar c'est pas pour rien que c'est l'une des équipes les plus âgées du pays. Ils ont fêté 55 ans le, vendredi, mhm. parce que le Guitara a été créé en 1969. Mhm. Ça m'a euh, <laughs> euh, Le les féliciter parce que, euh, comme ils sont africains, mhm. il faut savoir à quoi s'attendre en Afrique. Et que nous, ils l'ont compris très tôt. C'est-à-dire que sur le plan de, la logistique, ils maîtrisent Finidem. a Bimidem Serra sénat. Avant l'équipe Dem, lui-même Cher Sidiba est parti en éclaireur dem dem parce que match bi suis woon à Freetown mi ngi waroon Beau City à plus de 400 km. Donc donc fallait déplacer des gens tâter le pouls xam terrain bi li nga fay compte rendu delloo équipe ils ont fait la même chose à Abidjan Cheikh est mhm. parti en en en en éclaireur donc l'on permet joueurs yi nekk ci environnement bo xamné dañ ko maîtriser. Mhm. parce que bo démé souvent euh, période bi Abidjan ou nga dem Sierra Leone wala Liberia day taw lu bari mhm. et que fi taw bi demeewul noonu mun na taw euh, Kaolack du taw Dakar. pendant mhm. des jours et que luma wax ci logistique batay biñu démé euh, aller war jouer retour bi hier dimanche ils ont amené les gosses à l'hôtel de Thiès. depuis mercredi. et que dans le passé c'était pas le cas da ngay bàyyi joueurs yi ku nekk nekk à 48 heures du match nga dugal au vert alors que quand tu mets les jours dans des excellentes conditions. Voir leen bi projet ils vont tout faire pour pour se décaler, parce que projet de depuis 2001 équipe Sénégal vous phase de poule mhm. projet bi il faut vendre le football local projet il faut gagner en termes d'argent parce qu'une qualification en phase de poule te donne 400 000 dollars 235 mhm. millions Marceline 235 millions d'une un ouf de de soulagement mhm. maintenant il faut que vous Huawei, maintenant état ci il faut suffit pas de donner des titres de voyage seulement une délégation tu les donnes 30 billets ça ne suffit plus Tu as dit Jaraaf ak Tëngéej ñoo en lice mhm. as dit na Tëngéej dit, t'as mhm. Jaraaf continuer dit, tu continuer dit da jox euh, titre de voyage mhm. li tu as jox en titre de voyage capitalise ko tu donnes ça au girafes de Dakar parce que c'est tu maintenant le girafes de dit, c'est le du Sénégal de ah Marceline Ba de Lira de tout le monde démb dit, tu dem dit dama dit, sol parce que bon tu représentes le Sénégal euh, pour Giraffe, mm-hmm. je suis pas un supporter de Giraffe ni de Teungueth mais je suis supporter du football local. Mm-hmm. maintenant on a ñuy sur le recrutement le Djaraf, on est d'accord, avec tout est à quoi Giraffe. parce que vous Mohamed Mohamed Ba qui pour moi, à part chez Londres, c'est le meilleur joueur euh, l'homme du match hier. devant mm-hmm. la défense qui fut capitaine de la Linguère de Saint-Louis kooku duñ il n'est pas expérimenté. Parce qu'il a joué en Ligue 1 sénégalaise. Il a joué presque tous les 26 matchs de, la Ligue 1 sénégalaise. Il des matchs en, attaque, tu te rends sur les mandiums de la Sonacos de Durban. Il n'est pas expérimenté parce qu'il connaît la Ligue 1 sénégalaise. Maintenant, l'inexpérience, peut-être on peut le qualifier en Coupe d'Afrique parce qu'il vient de découvrir une compétition nouvelle. De la même façon que Abdou Aziz Ndiaye, qui a été formé au Giraffe, de la même façon de Moustapha Gueye, qui a été formé à Giraffe, mm-hmm. par qui, comme Malik Daf, l'a préféré à Adam Awad, qui est expérimenté, qui fut même capitaine de l'équipe de nationale espoir. Mm-hmm. Maintenant, ce que voir sur le plan du jeu, à un moment donné, score, on a score, non, le Giraffe a déroulé. Non. On a su marquer très tôt. Sur un débordement de Pape Suleiman John, mm-hmm. Allemagne fall qui cramponne, et le but est fait à la sixième minute. Allemagne, qui, qui remplaçait hier Suleiman Sissé, nga a ne 3 buts contre contre euh, S Offline euh, de Sierra Leone. Mm-hmm. bi purgé suspension. Almami est le meilleur buteur de la Ligue de sénégalaise avec le Dakar Université Club qui était courtisé par pas mal de clubs. Mm-hmm. européens et africains. Moi, d'abord, vous le tirer le chapeau. Mm-hmm. par rapport à leur recrutement ils ont fait un recrutement intelligent. parce que quand tu perds Aimé Tendeng. le meilleur joueur. Abdoulaye Diédhiou infirmerie. Fallou Fall infirmerie. Ahmed Nia infirmerie. tu perds l'ossature même de ton équipe. Ali Souane qui est parti à APR au Rwanda Donc, il peut faire un équilibre équipe bi. Mhm. mais cher, là, il remercie, pas Cheikh chers Cheikh Sidiba parce que moi le directeur ak baf il ñu fait un recrutement intelligent ils ont amené en défense la sécurité Abdou Aziz Diaw coup ko Tunisie mhm. ancien joueur de de Guédiawaye stabilisé la défense parce que dañu Abdou Aziz ak xale Moustapha il est c'est un joueur de 20 ans qui ne jouait même pas beaucoup l'année dernière Abdelaziz qui joue arrière gauche, c'est pas un gaucher de métier, c'est un gaucher qu'on a amené à gauche pour montrer comment Malik et, Cher et le staff Ablaï ont pu euh, faire cette équipe de machine à, à gagner. Et quand le staff a marqué 7 buts en 4 matchs, elle n'a pas encaissé de but. Je touche du bois. Parce que une rigueur défensive. Malik, mhm. c'est quelqu'un qui n'est jamais rassasié. quelqu'un vous dites match, lui. Jaraf, les clubs académiques, Parce que les D'autres me disent que c'est un budget, ça dépasse plus de 5 milliards. Mm-hmm. Le Club. Maintenant, quand ils sont venus, nous avons le but. Ils nous ont fait mal parce qu'ils mm-hmm. avaient deux attaquants. Issa Bene, le numéro 25, et Kwadjo Ngecha, le numéro 9 capitaine, qui jouait 9 et demi, qui faisait des courses croisées. Mais oui les courses croisées, c'était pour perturber la défense du Giraffe Et mm-hmm. heureusement, ils l'ont compris, ils ne les ont pas suivis. Ben là, d'accord avec Malik, moi, je reculer Ben Mahamad pour nous donner un marquage deuxième avant-centre alors football moderne waxul lool bo jëloon Nesta ak canavaro. nga ni leen ñaari avant-centre Nesta lay marqué fi, canavaro marqué fi maintenant ça dépend de la position du ballon pour kenn ci ñom def couverture bi su nekk le ballon est là-bas à gauche Nesta a def couverture bi su nekk le ballon est là-bas à droite Timas Line Costa Curta moo def couverture bi mais peut-être Malik avait été tellement prudent mu recule ben bi mu recruter benn Serigne Matar côté mo comprendre parce que bi ñu recule ben Serigne Matar devait venir à la sur la même ligne que Issa mais il était un peu haut parce que veut pas le ballon moo tax moment dans le dur et que ce moment là que nous ñu saluer Cheikh Londoy qui a sorti deux gros arrêts sur sa ligne Ben frappe mu ko une tête bien portante mu repoussé donc nous dem bestiaire mm-hmm. bi en deuxième période Malick fait changement et changement nous sommes d'accord. Malik a joué hier en deuxième période avec cinq défenseurs On mm-hmm. nga critiqué avec cinq défenseurs mais ça dépend si nous ñu ko mm-hmm. cinq défenseurs Malik. Joue avec ak piston dafa andi Adama Wade expérimenté mu am trois centraux ñaari arrêt latéral genre bi Bocandé ay Abdou Aziz andi ligne de 4 ligne de il faut mooy dafa andi de Stade de Mbour mu combiné avec Mahama andi ñaari excentré avant dañ mu sentir Babacar Sall était cramé Souleymane était cramé mu eh, Emel Mokhtar Mokhtar Ndiaye ancien de la du Casa Sport mu def euh, milieu milieu droit pour jouer ligne de 5 ligne de 4 ak Ben avançant pour léegi jouer équipe avariée. buñu démé à droite équipe basculée buñu démé à gauche équipe basculée buñu ñëwé ñëwee équipe fermée et que bu ñu joué ñetti guddi goudi duñ but. Hmm. parce que ñom boo amé équipe bo xam dafa regroupé comme ça il faut nga am joueur bo xamné da fay créer situation de plus un créer dribble pour mëna a mais je salue le Jaraaf de Dakar qui est sorti maintenant ñu dem phase de poule nak phase de hmm. poule li ñuy moytu rek moy ñu baña tomber ci ñaari gros morceaux. Hmm. parce que quel gros morceaux ci am Zamalek USM Alger Constantine Enimba de Nigeria Sfaxien club Sfaxien ak Berkane ak un peu moins. ASEC Mimosa mais les girafes, les clubs ivoiriens réussissent le girafe parce que nous avons éliminé daaw saint San Pedro nous éliminé Racing Club. donc euh, ASEC Mimosa man un mais ñu may ces clubs euh, NAR, pour ne pas dire maghrébin parce que l'Égypte ne fait pas partie du du Maghreb. Mm-hmm. l'Égypte Moyen-Orient la avons Zamalek Hussein Alger Constantine euh, Berkan, club sfaxien et Enyimba du Nigeria. mais hormis ces ces ces équipes là le girafe peut bel et bien franchir ses phases de poule et jouer pourquoi pas la finale et remporter pour une première fois une ah On le souhaite ah parce que c'est le draft du Sénégal. Ah et félicitations à Chersek, à Maridaf et à toute l'équipe du, du De remercier aussi le comité de supporters parce qu'ils ont fait une mobilisation. Plus de 20 quarts, j'ai compté. C'est ce, que, je voulais, c'est ce que je voulais savoir. Plus de 20 quarts, ils ont amené ils ont euh, transformé le stade la Dior en chaudron, ils ont poussé ces joueurs et que c'est cette ambiance-là qu'on aimerait voir dans notre championnat local à partir du 19 et un derby qui nous attend, Djalaf qui va jouer contre Génération Football. Donc vraiment, félicitations au Diaraf de Dakar. Oui, félicitations au Diaraf de Dakar, surtout côté mobilisation, parce qu'ils ne se sont pas basés seulement sur le public jessois, euh, ils ont beaucoup mobilisé. Est-ce que ça aussi, ça ne fait pas partie de votre ce qui vous permet de gagner c'est une clé de succès par rapport à la mobilisation parce qu'on voit que les clubs certes euh, s'ils voient que dañu dem ci compétition ils n'investissent pas autant ci euh, yenn moyens de communication ou de déplacement et surtout suy dem région à région peut-être su le Dakar ça xëy mën nañu may ay ticket mais vous avez investi par rapport à ticket yek kaar euh, est-ce que tamit lool beaucoup ci clé de succès wu oui tout à fait je pense que ça on l'a compris depuis depuis pas mal de temps djaraf dil def si bu baax et que def parce que pas une match où a commencé saison passée il y a deux saisons c'était la même chose il y a certains matchs où que Djaraf, C'est le club qui prenait en charge le transport des supporters pour, pour sonner la mobilisation pour leur montrer l'importance du match et je pense que Bi aussi c'est la même chose les 19 les 2, les 20 quarts ñu supporter de c'est le club qui a qui payé ça pour les pousser pour Disney euh, mobilisation mieux soutien équipe et je pense que l'ordre dafa en un plus pour eux. Euh, pour, pour, l'équipe. Je pense que c'est pas c'est pas c'est pas plaisant jouer double si stade du stade vide ambiance et tout je pense que les supporter su de pousser vers la vers vers la victoire après match de communion et mm. entre les joueurs et les supporters ça montre que il y a vraiment une euh, une entente entre eux et que ça passe bien et que ça c'est c'est un plus et que de plus en plus de match en match on va essayer de d'améliorer de, ça pour avoir encore plus de monde parce que si se fasse de poli On aura besoin du soutien de, tout un chacun pour pouvoir, euh, espérons, en attendant le tirage déjà euh, le, 7, le 7 octobre, Inch'Allah, pour voir si, si, si, si, groupe, pour, voir, euh, pour déjà afficher ses ambitions et que euh, dire que le girafe est ambitieux, mais on va y aller étape par étape. On va y aller étape par étape parce que maintenant, c'est ça que je dis à chaque fois Ni à chaque fois ni c'est possible le Giraffe peut aller gagner la coupe ceci ça je me dis il faut faire très attention. le et depuis le 2021. Mmh. Jaraaf Afrique. donc euh, les autres ont pris de l'avance par rapport au Giraffe. donc nous, il faudra essayer de combler ce gap. qui existe entre nous et les meilleurs clubs africains. Mm. Et après, d'année en année, l'objectif euh, que, que, nous nous sommes fixés, c'est de gagner chaque saison un titre. Là, ça nous permettra d'aller chaque année, chaque saison en Afrique. Et là, chaque année, quand tu vas en Afrique, tu apprends, tu progresses, tu te rapproches des meilleurs. Et là, après d'année en année, tu te fixes des, ambitions plus, plus, plus, plus, plus hautes. Mais dans les filles, dans les top 5 ans, 10 ans, ça, Jamoo Afrique. day hmm. gis benn équipe jóge deuxième de Ligue 2 ça ñëw yeeg première division. nee na man hmm. dama bëgg gagner championnat Mais je pense que c'est des c'est des réflexions yoo le club bi war nañ ko am. day hmm. évoluer sur loolu affaire c'est étape à étape. tu peux pas quitter une une une une une division inférieure. ñëw une division supérieure fekk ñu la fa mën na ñooñu dama pour dóor pour qui là, la chute sera très, très, très, dure. Donc, il faut faire très attention. Nous, on évite de faire ça mhm. au Djaraf pour, que, pour avancer pas à pas et franchir les paliers. Nous, là, c'est un objectif. Moi, chaque année, nous sommes en Afrique, d'évoluer D'ici quelques années, on sait qu'on sera au niveau des, des, meilleurs euh, sur le plan africain. Mm. Euh, on a vu aussi que clé du succès, mais toujours on continue là-dessus. Malheureusement, nos collègues et vous en tant que directeur sportif wax nañ ci cadre mobilisation mais on a vu aussi que euh, les recrues ont répondu présent lors euh, de cette compétition comment avez-vous fait pour gérer la gestion de l'effectif est-ce que ça a été facile pour vous parce que vous avez vous avez perdu beaucoup de joueurs ni ils n'étaient pas euh, aptes à jouer ils n'étaient pas présents Nous, ñu won Sénégal nous avons un club qui def recrues yu certains, certes yeen bokk ngeen ci club yi qui def recrues pour préparer l'Afrique, mais téwul aussi pour préparer li nga pour euh, reformer peut-être ces club mhm. comment avez-vous fait la gestion de l'effectif non c'était pas facile c'était pas facile parce que euh, si xoolee daw, daw après saison v si bien saison une équipe de new york la meilleure équipe euh, du ah. championnat mais on n'a rien gagné Et donc, c'était ça nous est resté à travers, la gorge. ça, ça, nous a fait, ça nous a fait mal. On se dit qu'il ne faut pas baisser les bras, les bras il faut mhm. encore renforcer améliorer l'équipe. Donc, ce qui veut dire que depuis avant saison d'Aoubi, avant saison d'Aoubi on avait déjà commencé à travailler sur, sur l'effectif de cette, de cette saison. On s'est dit qu'on va aller en Afrique, il y aura la, Coupe du Sénégal, il y aura le championnat. Donc, comme nous, on est ambitieux, on est un club ambitieux et qu'on veut euh, batailler sur tous les tableaux. Il faudrait qu'on renforce l'équipe, qu'on double les postes et même certains postes, on les a, on les a, on les a triplés. Et pour ça, pour faire une très belle saison, il faut prendre les meilleurs qui existent dans le championnat local et même ailleurs euh, des joueurs qui sont disponibles pour qui, veulent venir jouer au Djarab, ni essayer de les euh, convaincre et le présenter le projet du Djarab pour, euh, pour les faire signer. Et ça a marché. Mm-hmm. on, a, on, a, on, a, on, a, fait signer nos, nos, cibles, par, mais il y a certains aussi qui nous ont échappé. Mm-hmm. Et Et c'est la loi du marché. Et aujourd'hui aussi, pareil, parce que les quand tu nous une phase de groupe, on franchit un autre palier. Donc là, quand tu franchis un autre palier, ça veut dire que les difficultés augmentent. Les difficultés sont augmentées, donc il faut renforcer l'équipe en, qualité. Mm. Donc là, on est entre, peut-être dans la semaine, il y aura encore quelques, quelques, quelques, quelques, quelques arrivées. Et donc là, c'est pour renforcer l'équipe, mm-hmm. pour que pour, pour, mm-hmm. pour pouvoir ne pas être ridicule en, phase, en, phase, de poule. Mm-hmm. Donc on est sur cette, sur cette lignée. Et les recrues qu'on a eu euh, depuis le premier tour contre les Sierra et mm. on les a vu ils ont apporté quelque chose mais ils ne sont pas encore euh, rentrés dans le dans le dans mm. le moule et donc là le travail continue c'est juste le début espérons que d'ici quelques matchs encore et les recrues qui vont arriver aussi puissent euh, digérer le le rythme, de travail qui est mm. infernal avec, avec, avec Manidaf, ça, il, le dur, ça il, faut, il, faut, il faut le dire. Mm. Et je pense que si jamais bœuf, il a mieux digéré. Mmh. Ouais. Et c'est normal. Non, bien sûr. tu ne peux pas, tu ne peux pas vouloir euh, jouer en Afrique et ne pas miser aussi sur les performances. Équipe du SEG. Mm. Parce que l'univers équipe du SEG, moi, c'est une équipe, sur le plan physique, sur le plan de la VMA, c'est une équipe au top. Mm-hmm. Parce que Malik, mon exigence, c'est un beau l'âme. en U17, en U17, suivant Malick il est comme ça les ma jaax rek mon moom n'est mu nekkee joueur ah, <laughs> mais mec c'est c'est il faut essayer de ses forts mais li ma ko bëgg a rek mooy mhm. euh, il va falloir aussi ñoom euh, contribution la question la ñu liguer ci phase bi ñu jëm mhm. on met un croix sur le stade Lat Dior parce que le stade Lat Dior n'est pas équipé de VAR mhm. et que phase de groupe day VAR et que bu ñuy dem stade maître Abdoulaye Wade bien vrai que suñu moomeel la da ngay fay

stade bi enclavé wu dem fa yombut. Mm. donc nous ba ñu xaar le 7 octobre tirage bi di am. Mm-hmm. loolu dafa war nek nekk plaidoyer heure bi mm-hmm. ñu wax ak la SOGIP avec la tutelle et l'état du Sénégal le premier ministre pour que ñu puissions nu ko assouplir jaraf wala nu ñu ko sax euh, annuler mm-hmm. parce que 35 millions par match ça fait 105 millions les les les trois matchs. et que là les clubs sénégalais qui sont qui n'ont pas de subvention venant de l'état ne peuvent pas supporter boo mais Côte d'Ivoire. la ah, fédération le ministère. Pour le plan du sport, il se à hauteur de milliards. Puis on ne subventionne pas. Souvent, on te donne que des titres de voyage. Mm-hmm. Donc, nous, on de Parce que nous mm-hmm. avons championnat. Mm-hmm. Parce que Parce que deuxième tour, Parce que deuxième tour, aussi, nous, parce que C'est la CAF qui droit nous, avons on Nous, ensemble. Nous, nous, nous, nous, nous, nous, jaa nañ Aimé jaa nañ Aliou war war nañoo ci retombé beneen bi am na seen benn joueur beaucoup de Diop qui est présentement à Tanger naa Cheikh Dina Malang mi <laughs> ñu wax la ak club marocain bi est-ce que signé ou pas. est-ce que euh, dafa amoon bras de fer je pose une question entre yéen ak moom. Mhm. parce que à un moment donné vous voulez mu ñëw mun leen moom dafa am ay velléités de partir. semaine bële passée dem na Tanger. Euh, on n'a pas relaté parce qu'on ne connaît pas encore les contours effectivement euh, qu'est-ce que ça a rapporté au C'est ma question parce que c'est pratiquement euh, même question hein. je voulais savoir certes en phase de groupe tu as une bonne subvention mais nga tu as annoncé les recrues que vous avez fait en début de saison c'était très coûteux mm. hein. fourchette bi ça coûte très cher surtout si tu as club indi donc encore vous êtes prêt à faire encore d'autres recrues pour phase de groupe encore mu nek euh, budget bu bu aussi location stade maître Abdoulaye est-ce que vous vous êtes présent préparé à toutes ces éventualités là est-ce que tamit subvention est-ce que vous avez prévu peut-être un euh, sponsor ou peut-être euh, l'appui de l'État mhm. pour ça Oui, je pense que déjà pour parler de Malang, par rapport à Babacar Diop, parce que Mom, euh, il était en fin de contrat avec nous. Il était en fin de contrat avec nous. On l'a proposé de, pour, me renouveler, pour, pour, pour, me prolonger, pour me renouveler son, son contrat. Et il nous a dit que euh, de Amsi Lumounek, mais sous Sotoul, il va revenir au, au, au, euh, et que après on a appris son, son, son départ pour le pour le Nioro Ñaanal Yàlla defal ko fa jàmm lu mu fa mu yomb mu yomb si n'est que le début d'une très grande euh, carrière sur le plan extérieur. Je pense que euh, Taïdini, par rapport au SAT Met je pense que euh, pour payer cette somme chaque match, le girafe, ce sera très difficile au Giraffe ah girafe de, le faire. Mais le point est que Taïdini, on est déjà lancé, on ne peut pas reculer. Vous faites que nous, on doit le prendre en charge, on le prendra en charge, on n'a pas d'autre solution. Mm. Mais on va demander, on va parler avec la fédération, on va parler avec le ministère pour essayer de, trouver une, solution, avec le sujet aussi, pour essayer de trouver une solution pour alléger ou bien ministère et l'État en charge. Parce que d'accord, c'est le Djara qui va jouer en Coupe CAF, mais nous, euh, le Sénégal, nous représenté C'est le Sénégal que nous représentons. C'est une fois demain, déjà, ça, quand tu vois euh, dans les compétitions internationales, dans les compétitions interclubs, en tant que club enregistré c'est la fédération en tant que tutelle donc je pense que Taïdini, il est temps qu'on que ñu entre pour trouver une solution parce que chaque match 35 millions ce sera hmm. ce sera trop lourd pour le pour je pense que Taïdini, comme nous par rapport aux recrues euh, recruter les meilleurs joueurs, ça coûte cher. Ah parce que en termes d'argent, il faut leur payer des salaires, il faut payer des primes de signature, mm. il faut les prendre en charge, l'hébergement, la nourriture et tout ça, ça, ça, coûte cher. Mais on le savait, et parce que nous, on a des ambitions. Quand tu as des ambitions, je pense qu'il ne faut pas regarder aussi sur les, sur les finances. Après, les résultats, quand les résultats viendront, je pense que le lieu de dialogue, parce que là, la fierté, La, la satisfaction, ce n'est pas, pas, pas, pas à perte. Et que tu as dit, l'année dernière, c'était la même chose quand quand on est allé chercher euh, Tendeng au Casasport, quand on est parti prendre Aluswane à Dakar Sakeke, je pense que aussi c'était des joueurs confirmés de ce championnat et aussi on avait mis le paquet pour les faire, pour les faire signer parce qu'il y avait beaucoup d'équipes qui ont tourné autour, autour, d'eux, mais nous on a su les décrocher et Winko. On a vu la saison qu'ils ont, qu'ils ont, qu'ils ont fait la saison dernière et qu'en fin de saison, ni Dia et ni Dem et que Giraffe a eu un retour d'investissement par rapport, par rapport à ça. Le football est devenu un business. Je pense que le football est devenu un business et il ne faut pas avoir peur d'investir. Des fois, d'investir à perte, mais c'est tout, à fait, tout à fait normal. Et aussi, cette saison, on n'a pas hésité à aller chercher les meilleurs pour aussi faire une très belle saison et aussi espérons que d'ici fin de saison oui, que nous puissions que arriver à jaay ben Ougnard espérons aussi déjà aussi pour pour pour pour euh, changer leur, leur, vie sociale aussi. Mmh, surtout. Nous, nous, surtout, nous, faut que nous apaisantir parce que nous, euh, il y a certains joueurs aussi dañu ñëw demander départ et tout affaire yooyu on les a lâchés lâchés sans sans sans sans contrepartie sans rien du tout. parce que mm. on regarde d'abord la la vie sociale. c'est le capitaine du Giraffe C'est Touré la même chose c'est Touré il est venu nous on a on a voulu le retenir Nous nous ñu bëggoon mu mm-hmm. parce que c'est un enfant du Giraffe. Mm-hmm. depuis petite catégorie fille, et tout affaire on a discuté avec lui et tout après sa sa dernière décision on l'a respectée. Mm. Nous ne le girafe restera toujours ta famille. il y a mm. pas de souci mais ce plan de carrière, il n'y a pas de souci, on te, souhaite, on bonne chance. C'est important. Alors, on ne peut pas euh, parler du Giraffe et terminer sans pour autant parler de l'exploit du coach. Hein, collègue il a félicité et encouragé Mori Malik Daf. Peut-être que euh, Lira Job, peut-être que tu vas un peu euh, revenir là-dessus par rapport à ce coach Bim commencé Certes, on, on, on, lui dit que derrière, peut-être Job, il est très, très exigeant par rapport à Kalimil laaj joueurs yi yaa ngi doon wax léegi que certes bi muy nekk joueur on lui peut être on lui demandait pas autant mais il demande autant à ses joueurs peut être naka nga mën a euh, caractériser Malick Daf. bon man dinaa sawar a wax ci moom parce que euh, dund naa ak moom mais yàggul mais dafa dafa dafa exigeant trop te am naa tamit ñu ma expliqué bi muy nekk joueur. nangul woon daw daanul daw dafa tayaloon <laughs> mais talent kese kese la woon bi ñu nekk port bu doon ñëw moo nekkoon euh, euh, coach adjoint wu euh, coach bi nu mu coach bi damuy yi kanji kii ah, on a interviewé à la mi-temps hier kanji moo nekkoon adjoint mais saa yi mën ngaa daw une heure de temps ak <laughs> non dafa entraînement dafa trop mm-hmm. amul góor amul kenn da ngay daw ba sa làmmiñ bi di lang hmm. je te jure ant kiyam dafa métti woon mais nag nit mais nit ku nit ku booy seet nit ku baax demal ci moom ni mu mel ñaa booy koy fekkee ci terrain ni mu mel ak bu mat bu génnee terrain bokkul nit ku tàng la nag hmm. mais nit ku koo xamante la boo ko boo ko côtoyé di nga xamante ne nitu kese la te nit la aussi koo xamante ne foo ko woo téléphone dafay jël waxtaan ak yow correctement après jeex na moom fu mu teg boppam fu mu fu mu nekk ak moom fu mu teg boppam mu bokkul. Mm-hmm. te li mu fu mu toll nii mérite la. Mm-hmm. daf ko liggéey daf ko liggéey carrément jaar équipe nationale jaar. Mm. club yu bëri. port la commencé voilà port la commencé comme adjoint di ramper di ramper di ramper ba tey mu toll fu mu toll nii donc mérite la te te daf ko wane quoi dafa wane mën-mënam. ci petite catégorie équipe nationale ba mu ñëw jaraaf te avant muy dellu si waat jaraaf jaraaf la ne woon équipe nationale bi tax mhm. mu choix choix bi tax mu bàyyi jaraaf dem équipe nationale parce que ci lañ génnee mhm. benn coach équipe nationale mënul yor club euh, euh, mhm. club mu bàyyi dem dem dem gérer équipe nationale te loolu c'était normal parce que dëkk bi moo soxla woon voilà donc bi ko jaraaf soxlawaatee dafa ñëw te bi mu ñëwee daaw jaraaf Cheikh Sidi Ba wax na ko jaraaf jëlul championnat bi daaw mais ñëpp xam nañ ne jaraaf mun nekkoon meilleure ah équipe daaw ci championnat mhm. parce que boo seetaan see dañoo def ay erreur nag te mënul ñàkk am na match yu ñu waroon gaje mhm. ñu perte ko mhm. comme seen match contre Casa Sport bi bi ñuy def match niin bi ak seen match contre euh, Jamono Fatick donc match yooyu waruñu ko woon waruñu ko waruñu woon perte ay points tey nag dañoo perte ay point te loolu moo leen yóbbu ci situation yi nekk. Mhm. mais ren moom xam naa leen ne dina nekk championnat bu neex a neex a ah, neex. parce que championnat Sénégal foofu la toll voilà. on l'espère euh, Thierno Ba yow itam en tant que euh, ancien góol euh, de Jaraaf vraiment ah, xamoo leen ko nag xamoo leen ko parce que li mu góolu bëriwul Thierno Ba génn ci li nga nekk. mala daal bett yow mala. Ah, en tant que ancien góol de Jaraaf. la grand bi moom day jouer film. natation natation mais manager aussi avant avant da ngay gis benn benn benn sportif mu ne la damay def athlétisme damay def natation damay def football tey ku mel ni Pa Mala Pa Mala yàlla na ko yàlla yërëm. tey moom ñu bëri xamuñu woon ne moom at def na athlétisme. ñu bari xamuñu ko te boo demee këram.

xaw na la yóbbu jaraaf. waaw période boobu. du ca moom moom xaw na la yóbbu jaraaf ak nekk naa jaraaf. waaw waaw la non parce que boobu boobu fay bi moom moo yóbbu. parce que boobu maa ngi fay jaraaf. waaw ku bul fay mën góol. non waaw boobu. waaw ku bul fay mën góol. du benn mais sinon euh, jaraaf c'est mon équipe de de cœur. jaraaf man ñoom laa mosu supporter maa ngi fàttaliku ay jaraaf. waaw tiir usu ay der ma jox ça c'était de de grand match. mais euh, j'ai une question à lui poser parce que souvent en éclairé dans les pays où mais est-ce que c'est aisé de faire ce boulot là est-ce que fay est-ce que nous euh, est-ce que euh, est-ce qu'il y a un match hein? hôtel boulot là après venir parce que souvent il y répercuté des ci non c'est pas aisé parce que déjà. des fois les dem si de pays yoo xam ne mosoo donc tu viens euh, tu vas vers l'inconnu Dans dem pays il faut know. en plus sauf demain euh, il faut pas que équipe adverse bi xam que yaa ngi parce qu'ils vont dire qu'il est venu nous espionner ou quelque mm-hmm. chose comme ça donc les dem tu te fais le plus petit possible euh, def li après demain demain demain c'est donc euh, c'est pas facile en plus quand tu vas ben ben nit cassé, hmm. c'est c'est pas c'est pas c'est pas facile. Hmm. c'est pas hmm. y a pas la sécurité. tu n'es pas bien euh, protégé et tout mais euh, c'est le métier c'est le métier qui le demande. et tu le fais avec le tu le fais avec le cœur parce qu'après, derrière quand il y a satisfaction, quand tu vois que l'équipe s'unit, il n'y a aucun problème logistique, l'équipe est bien accueillie, hôtel Biparena, terrain d'entraînement les heures d'entraînement sont calés et tout ça Lorsque satisfaction il y a où tu vas avec le cœur après c'est le travail qui le demande et donc moi il n'y a pas de souci je vais le faire si c'était pour aller au oh. fin fond ah, du monde. Je suis prêt à le, faire pour le, pour, pour le succès du Jaraf. Alors, voilà, ça a quelques mots à l'encontre de Malik Daf. Peut-être, il euh, aussi, tu vas, euh, même si c'est vrai, c'est de manière très bref, mais il faut que tu tamit ci ki nga euh, lui aussi il a fait beaucoup de matchs sans encaisser de but euh, il a marqué cette nuit également le il surprend chaque jour et il surprend beaucoup de monde parce que tu as dit nga xam joueur. qui était un milieu offensif très très technique pétri de talent comprendre mais il un peu de nonchalance dans son jeu. tu as dit transmettre joueur et yi rigueur euh, euh, forcément viva Malik parce que il s'est forgé et il a beaucoup progressé. il a mhm. beaucoup progressé et que on salue aussi. Euh, Malik par rapport ak licence bi nga ko la licence B bi lui permettre mu tok ci banc parce que en Afrique il faut avoir même la licence A mm-hmm. il y a que le Sénégal qu'on a fait une dérogation pour ñu mën am licence B yeneen dëkk yi amul dérogation mm-hmm. parce que ñun mosuñu organiser licence A lu tax mënuñu ko organiser nak lolu ay question yu bari c'est des c'est des c'est des ah. degrés xam nga ah, xam nga entraîneur ah, bu ñëk ñu wax yaa ngi démarrer ak la licence d'initiateur mm-hmm. légui licence yëpp licence CAF les léegi initiateur dañ ko bàyyi tourbi euh, tout ko la licence D les licence premier degré bi ñu am ñun moom la licence C mais une licence euh, D C ak B nous le permettre de faire ci Coupe d'Afrique il faut avoir la licence A mais comme au Sénégal on n'a jamais organisé de licence euh, A Nous avons une dérogation pour nous am licence B mën et ils sont 75 personnes qui hmm. sont détenteurs de la licence B C'est très très très petit par rapport à étant fait partie mm-hmm. Les Malick li par rapport à les phases de poule Heureusement que Cheikh l'a compris, il l'a dit, ils vont, ils vont renforcer le groupe. Mm. Et c'est très normal. Ils vont renforcer le groupe. Renforcer le groupe de façon sectorielle. C'est vrai qu'en attaque, on marque des buts, mais il faut toujours renforcer en attaque. Mm. Dans l'entrejeu, sur le banc, il n'y a pas tellement, tellement de profondeur il faut qu'on renforce surtout là dans l'entrée ah En défense aussi, si on récupère l'infirmerie avec Abdoulaye Djedou, avec Fallou Fall, on peut toujours renforcer. Et éventuellement, même sur le, au niveau des gardiens depuis, parce que sur le bas il y a un très bon gardien, Abdoulaye Djahade. Cheikh avec son expérience, il fait de, très grands matchs. Maintenant, il va falloir aussi euh, créer encore des camps, parce que le jusqu'à présent n'est pas sorti pour encore peaufiner sa préparation. Ils ont préféré rester ici. Donc, d'ici le tirage, ou bien après le tirage, s'il y a un décalage entre euh, les phases de groupe et le tirage, pourquoi pas aller au Maroc Pourquoi pas aller en Tunisie ou bien en mhm. Algérie pour continuer à peaufiner le stratégie. Parce que mm -hmm. ah. il faut qu'on mette, mette, les, les, moyens. Donc euh, on, on, souhaite à Malik Daf plein de, plein, de, plein de succès et que du coup souhaiter Ustaf parce que aussi Ustaf bi important parce que Malik Daf mooy feeñ mhm. mais y a Ablaye Gueye bi nga xam ne coupe Sénégal bi mhm. dem Niamour de Louga Niamour de Louga mu au y a René qui était gardien de l'équipe nationale en 94, 93, 95, qui est l'entraîneur des gardiens. Donc, nous, il ne part pas en terrain inconnu. Et que l'équipe du Giraffe, lui, doit aller deug, deug, deug, deug. Moi, c'est les, les, les inconditionnels, les icônes. Mhm. Tu peux pas avoir Chef que je pense Youssou Dial, Nofel Fall Amadou Diop Cheikh Sidiba, ils sont tellement tellement tellement nombreux qui travaillent autour de ce club qui est la vieille dame pour ne pas dire la gendarme vraiment on leur souhaite plein de succès il y a aussi Marceline derrière sans que vous le sachiez je suis très modeste là-dessus xam nga divise la machallah merci beaucoup à toi Malaw Sané alors je termine avec Cheikh Sidi Ba may ne parce que Sénégal. vraiment. <laughs> des sports rek la far parce que man mënu ma far ci ci club xam nga tax parce que chaque week-end je suis dans les stades. je reporte les matchs c'est important. si nga ko ma far jaraaf mënu ma fi may far man ak Yalla ñokay xam. Mhm. parce que far moom aadama do aadama lay far. mais munu ma waré ne fi la far. parce que c'est important je suis là pour le local. tu dois être neutre c'est tout à fait normal. des sports la far cher Sidi peut-être a eu quelques mots euh, ce goût d'inachevé de 2021. Euh, Mobile bàyyi toujours euh, ci votre fin mhm. là vous êtes en en phase de groupe en ce moment vous a qualifié Vous êtes euh, partie encore Tu compétition mhm. peut-être vos attentes chez le le le coach en ce moment mi répondre mhm. est-ce que aussi vous êtes sûr que c'est c'est l'homme de la situation en ce moment pour vous amener à nga oui, ça, mon, euh, aucun doute, c'est l'homme de la situation. Je pense que même à, sans le girafe, il a montré à plusieurs reprises dans différents clubs où il est passé, et avec l'équipe nationale aussi. Et je pense que pour nous, c'est l'homme du club. Il est, on le voit, le, la charge de travail qu'il qu qu'il fait tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et aujourd'hui, déjà prendre l'exemple, euh, on a eu une discussion avec euh, Mokhtar on l'a vu on l'avait vu en début de saison, en début d'entrée, début de saison, il était bien, il pesait beaucoup sur le jeu, mais depuis quelque temps, on a vu, il avait une baisse de régime. Et quand on lui a posé la question, il a dit que lui, depuis qu'il a commencé à jouer au football jusqu'à aujourd'hui, il s'est jamais autant entraîné au Giraffe que dans les autres clubs. Mm. Mm. Donc ça, ça, ça, ça, ça, veut tout dire. Donc les, Malik, c'est l'homme de la situation et on a, confiance, on a totale confiance en lui. Et mm. aussi, il faut dire, comme l'a dit Malan tout à l'heure, il est bien entouré. Il est bien entouré je pense que euh, c'est ça qui, qui, fait la force du Giraffe. le, le Giraffe, c'est un ensemble. Le Giraffe, c'est une équipe et que nous ne travaillons pas individuellement, nous travaillons mhm. collectivement. C'est un sport collectif, c'est tout à fait mhm. normal. Et c'est ça qui fait la force du Giraffe. je pense que euh, on va entrer dans une phase de groupe qui sera difficile. Ah, oui. Et on a des ambitions. Nous, on attend juste le tirage pour savoir nos, pour connaître nos, adversaires. Et là, on pourra vraiment afficher nos, ambitions. Mais euh, on va aller le plus loin possible. On va faire mieux que 2021. 2021, on s'est arrêté en en quart de finale. Mm. Mais cette, année, on va faire mieux qu'en 2021 et espérons qu'on puisse faire euh, un, exploit durant cette, Coupe CAF. Ce ne sera pas facile parce qu'on aura devant vous euh, des équipes comme Zamalek, des mm. équipes comme euh, Simba, des équipes comme beaucoup de grandes équipes qui, seront, qui auront des ambitions de remporter ce titre. Mais rien n'est impossible dans, le, dans la vie et dans le football en, particulier. Et impossible n'est pas Djaraf Impossible n'est pas Djaraf En tout cas, le Sénégal est de tout cœur derrière vous parce que vous êtes nos seuls représentants en ce moment en Coupe CAF et que nous n'avons pas peut-être que nous euh, malheureusement euh, euh, ci yoon bi yéen yéen a ngi nekk di eggali en ce moment votre chemin donc ñu ngi leen di ñaanal rek di leen encourager Malang peut-être euh, pour finir il y a quelqu'un qui pose la question muy Baye Sène à savoir ndax tu parles de euh, René Charles Ndiaye ou bien René Charles Ndiaye et je ne peux pas terminer sans pour autant